avec Info Dakar. Avec Info Dakar. Fils Sénégal, ak foo mënti ne ci àdduna jot information yu la. Omar Diaw maa ngi ci 100 élèves agents d'hygiène yi nga xam ministère de la santé ak euh, hygiène ñoom ñoo ko recruté depuis novembre 2022. lan c'est seen problème ak. problème c'est dañoo toog ñu 100 éléments ñu sommes ba benn moment euh, Daouda Faye mooy le directeur de l'INDSS ñëw génnee jël ci 100. yi nga xam ne ministère de la santé moo ko moo mu jël ci liste jël ci 50 éléments ne 50 éléments yooyu lay woo ñu ñëw inscrire ñu ñëw tey nag ñun ñëpp ñu boole ko def 100 éléments yëpp ñëw direction hygiène bi ñëwee xam nga directeur ONDS bi ñëwee mu ne ñu instant bi nii moo ñu ne ko jox ñu ne ko nag mënuñoo nekk 100 éléments admis concours légalement nga jël concours bi nga jël concours bi nga jël 50 éléments ko nangu wax nañ ko ko nag bi am na certain cas boo xam ne foofu la bokk foofu génn mu ne moom santé bi ñu organisé bi moom waxuñ ko defuñ ko moom ci xaw ma fan la jëlee liste cinq liste cent ne da ciy wàññi jël ci cinquante éléments ñun ne nee ko pare wuñ cinquante éléments yi xalaatuñ mu dugg école cent éléments mooy dugg école moom daaw dafay bu fekkee ne mënul organiser concours bi bu fekkee ne mënuñoo formé na wax santé ne ko mënuñoo formé santé jël ay responsable moom service d'hygiène formé bi ñun loolu rek lañ actuellement ni moom nag bu fekkee ko ba ko na ci génn mais mais mais mais mais moom dafa ne yéen boo xoo bokkagu leen ci ci école. bokkaguñ ci école moom moo ñu war a formé moom moo ñu war a formé moom li kon lan moo tax mu génne liste comme moom nee na ñun bokkuñ ci école bi kon lan lay jël suñu liste moom di ci génn di ci jël ay cinquante ba pare nañu kaay nañu moom moo tax ñu ñëw fi de. yàgg nañ di dox suñuy démarches mosu ñoo ñëw ci moom dem nañ ci autorité yëpp saisir leen autorité yi commencé dox ay démarches moom muy njëkkalante wu ne day génne liste daaw dafay nag dañoo bëgg moom bu mënul formé cent éléments yi na ci génne loxoom ñuy ñuy ñuy ñuy tamit ministère de la santé Nous avons organisé un concours Nous nañ jël seen responsabilité formé ñu bu ñu mënul formé ñu wax ni ñoom ak service d'hygiène ñoom ñaar nous avons organisé un concours nañ jël seen responsabilité formé ñu bonjour je m'appelle Thiam Diop je fais partie des 100 élèves agents ans. ceux qui sont qui avaient qui avaient réussi le concours 10 ans. on est venu ici on est on nous avait appelé pour, pour, faire nos inscriptions. Mais une fois à l'Indes, avec à notre surprise, on a trouvé une liste de, 50 personnes, alors qu'on est au, nombre de 100. Ce qui est ah, inadmissible, du moi On ne peut pas concevoir une concours, un concours, du lancé par le ministère même de la Santé et l'hygiène, qui ont bien précisé avec une quota de 100 éléments. Aujourd'hui, on est venu, ils veulent nous scinder, ils, ils, veulent nous scinder, dis-moi, en deux groupes de 50. C'est ce qui, qui, cela qui vous fait mal. C'est ce, cela qui nous fait très mal même. On est venu ici pour, pour, manifester notre mécontentement. Et à notre surprise, le directeur même, on l'a vu. Quel directeur Le directeur de l'INDES. Il s'appelle comment Daouda Faye. Mhm. il, est, il est venu avant, avant même de nous, de, nous saluer, il, a tiré son matraque de sa poche. alors que, alors que même il l'a tiré de sa poche. Il l'a tiré de sa poche et il l'a pas utilisé. Ah. mais, mais, mais, mais, mais il n'y avait, y avait aucune, menace, euh, aucune menace pour, pour, pour, faire cela, je, pense. Mhm. Il, il, devait même nous, il devait au moins nous accueillir. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, Daouda Faye Rien du Rien. rien dit. Même nos salutations, Bon, il n'a pas répondu à nos salutations même. Et qu'est-ce que vous dites au ministère de la Santé qui avait organisé nos concours nous lui, demandons de, prendre ses responsabilités et, qu'il nous éclaircit les lanternes sur cette affaire. Quoi. Parce que ça, commence à, devenir mal. quoi. Parce qu'on a, on a euh, resté 15 mois, 15 mois, 10 mois, bientôt 2 ans. Et à défaut de ça, s'ils continuent continue de vous faire courir, qu'allez-vous faire Bon, je pense que euh, la situation même commence à dégénérer. Parce que euh, les forces de l'ordre, eux, ils nous ont sassés de l'index. Si, on ripostait, ça, ça, peut, ça peut dégénérer quand même. Mais avec la compréhension et tout, et la discipline militaire qu'on nous a... oui, on a un peu... Ce que je vous dis. vous êtes là à réclamer pour qu'on vous intègre, qu'on vous intègre. Et alors, s'ils continuent de vous faire courir, alors vous bouillez dans... Hmm? Bon, qu'allez-vous faire pour vraiment... On est au nombre de 100. Chacun a son comportement. Cette situation peut, pousser d'autres, certains à faire du n'importe quoi. Bon. Comme quoi L'immigration clandestine est là. Le banditisme et tout. Il y a toutes ces menaces. Parmi les 100, tous les 100 sont des anciens militaires qui ont bien servi dans l'armée pendant une durée de deux ans de formation. Avec tous les risques, tu, tu, vas les bazarder dans les rues. Les conséquences, les, les, conséquences du moins, seront peut-être désastreuses. Avec Info Dakar. Avec Info Dakar. legal, a fumante my show, you information